Je lance un appel à l'ensemble des militants et militantes à l'échelle nationale, donc euh, de se consacrer en tout cas vers l'essentiel. C'est vrai que c'est une entité maintenant, un une coalition de partis qui est dans le côté maintenant de, l'opposition, qui va s'opposer, mais qu'on soit en mesure de s'opposer, donc euh, disons d'une manière républicaine, tout en ayant en ligne de mire l'intérêt supérieur de la nation. Les saint Sénégiens m'avaient confié la commune. D'abord en 2014, réitéré en 2022. Aujourd'hui, je suis plus que jamais à assurer cette fonction, à assurer cette charge en tant que maire républicain, en tant que maire, euh, en tout cas, en qui les populations ont investi de leur confiance pour mener à bien cette mission de premier magistrat de la ville. Et je continuerai à œuvrer dans cette dynamique-là dans la dignité. Et nous allons continuer dans la dynamique avec l'équipe municipale qui m'accompagne, mais aussi en tendant la main aux nouvelles autorités pour qu'elles nous facilitent la continuité non seulement des projets, mais aussi le développement de nouveaux projets. Saint-Louis le mérite, je, serai là, je serai devant, je conduirai cette équipe et je le ferai autant que faire se peut, tout en respectant les principes républicains. Mais idéal aussi maintenant, qui, beaucoup, de la coalition Beno yakar à l'échelle nationale il faut que nous da pouvoir dem ci opposition ñu wara dans la dignité opposé dans la dignité mooy nga garder sa ngor fu nga nekkoon nga nekk fa pour que nga mëna ñëwaat ñëwaat nga euh, conquérir le pouvoir té lool mëna na suñu borom dafa def euh, sama mbokk doom ndar yi mairie en 2014 en 2022 donc je ma sam bopp mooy continuer te mairie bi comme nu ñu ma ko dénkee liggéey liggéey yi xam ne tàmbali woon nañ ko ñu continuer liggéey bi développer ndar parce que lu ñu ñor mooy ndar suñu intérêt personnel amul solo. di ñaan nag les nouvelles autorités ñi nga xam ne ñoo amee régime bi bu bees bi que ndar dafa nekk dëkk boo xam dafa am taxawaay ci dafa am taxawaay ci ci Sénégal def nañ ci ay projet macha allah dañu bëgg na projet bépp ñuy développer ci ndar ñoom ñu yàppale ñu ci faut pas que ñu bëgg dara. ba noppi ñu ci kay galankor loolu pour man waruñu jublu ci côté te gëm naa ne duñ jublu ci côté donc lépp lu ñu mën pour jàppalante pour intérêt sénégal pour intérêt doomu sénégalais pour intérêt doomu ndari ñu taxaw ci andi ci liggéey parce que sénégal moom gëm naa ni sénégal ñëpp la